diverses et multiples pour l'Association nationale des albinos du Sénégal. L'inclusion en milieu scolaire et professionnel, un des grands défis plus de 10 000 albinos au Sénégal, seuls trois sont recrutés dans la fonction publique, anormale, selon le secrétaire général de l'ANAS. Dans le milieu professionnel, les albinos subissent des marginalisations. Lors des dépôts de diplômes, pourquoi les entreprises ne recrutent pas les albinos alors qu'ils sont compétents Mais il y a de ceux qui, ont des cartes d'égalité des chances, mais ces cartes d'égalité des chances n'ont pas de sens. La situation du centre pour albinos de Thiès a été évoquée lors de cette rencontre. Ils sélectionnent des gens qui qui doivent avoir qui ne doivent pas en avoir. C'est anormal. Tout cela, on le subit. Le président qui était ici, euh, assis ici, était logé au centre depuis plus de 15 ans. Il est dans le centre, il est résidé là-bas. Il a exclu chef du centre parce que tout simplement, chef n'a pas d'avis, n'a pas un avis favorable de ce qu'il est en train de faire. Des précisions ont été apportées lors de cette assemblée générale sur le cas Mohamed Bambadio pour Ce dernier estime les membres de la NAS a été exclu du bureau national de l'association boodi bu ñu leen di boodi ci lu jëm ci wàllu fonction publique daanaka lu ëpp fukki junni lañ ci biir Sénégal te ñett rek ñoo nekk ci fonction publique bi mu nekk nag li nga xamante ne lu naqari kuréel gi ëmb puune yi nekk ci biir Sénégal. su ma jógee foofu di wax ñi nga xam ne ay albinos la yoo xam ne ci am nañ ay diplôme maanaam di jàng ba am ay diplôme war a ñu war laa defal ay bourse nga dem yi ñu dimbali leen defal leen carte égalité des chances ñoo xam ne ci ko. ci bi leen ñu dellu si ci situation centre bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel fii ci Thiès. centre bi day ba léegi nguur si mi ngi ko gardaajoo waa nan lay nit tabaxee centre nga ne dangaa bëgg a dimbali albinos yi ba pare naan benn famille rek bi centre bi taxawee ba léegi 97 ba léegi benn centre moo ko nekk jël centre bi ba ko def seen moo moomeelu bopp puune boo xam ne da yow daal neexoo leen rek ñu bedd la ne la doo dugg ci centre bi ci bile assemblée général nag ñu waxtaane mbirum association bi waaye tamit daal kaaw ki nga xamante ne moo di Mouhamed Bamba Diop mi jàpp ne dàq nañ ko ci bureau national association Station B.